un homme, une histoire, une passion, des hommes créés et un art qu'il a su vaincre par sa passion. Je veux nommer par là M. Abdelaziz Boy ci nous nous nous beaucoup de spectateurs u Obelus TV ñu ngi au la à l'unité 24 pour célébrer un homme un homme qui de par sa dimension spirituelle et sa passion a su transférer son art à des jeunes Tay kooku dëddu aduna du monsieur Abdelaziz Boy, mo créé Ciné 4 créé Ciné banlieue ba tay ñu mëna wax 3 troisième édition banlieue film festival ci noonu lay xoosi dugg si di len wax salaamaaleykum mbokk téléspectateur Obelus TV Tay ñu ngi fi ci parcelle Assainies à 24 à l'école Ciné banlieue ci troisième édition banlieue film festival banlieue film festival di nek festival bo xamni ñu organiser fi au niveau de la banlieue chaque deux ans et cette année moo que la troisième édition mais l'édition ren bii un goût assez particulier mën nañ wax ni c'est un goût amer ou bien un goût triste parce que le formateur l'éternel amoureux du 7 7e art M. Abdelaziz Boy, n'est plus Et na nous ñu un am questionnement bu ñu son héritage te héritage boobu noonu mi ngi commencé ci li mu fi bàyyi woon ci yenn lenn ci héritage bi mu fi bàyyi woon muy Banlieue Film Festival tey ñu dugg xuus xool Banlieue Film Festival bi war a bi am du 15 16 17 décembre 2017 y a des activités yu fi am des ateliers ateliers atelier atelier d'image atelier son y a des panels sur la critique du cinéma sur comment les films doivent être produits et distribués à travers le monde entier mais aussi qu'est-ce que ces étudiants feront donc du laissé par le professeur dama vous di ñu choses li xew ci bir tristesse jege si nañu waaye du tere tey cinéma di continuer parce que ki créé woon ciné banlieue Abdelaziz Boye paix à son am loolu la bëggoon ñu dugg xool lan moo xew ci biir fii ci banlieue film festival troisième édition le 15 16 17 décembre 2017 ñu dem. Ah, Aziz léegi defe naa ni war na def lu mat weer ci suuf yàlla na ko yàlla yërëm fa mu nekk yàlla na ko gënal fi mu jógee. Euh, bi muy gaañu nag fekkoon na sax moom mu tàmbali woon euh, di réfléchir ak dikkile ci festival bi donc man intervenir ma véritablement ci festival bi maa ngi fi nag depuis booba mais je regarde un peu de loin daal xam nga sa héritage kenn du ko bàyyi noonu foog ngay am noo koy xoole daal ba xam ndax kii mais nag euh,

man defe naa maay héritier am principal ndax euh, daan na ko lii ñoo ko sosandoo booba ba tey ñu nekk ci donc incha allah man mii dana ma cee xar sama tànk tubéy sama famille it ñu ngi ci taxaw eh bien ñu mag ñu na fi sànq gis ne ñu ñoo ci daal eh, xale yi nag lu ñu leen di wax rek mooy nañu bañ a yàkkamti mm-hmm. nañu gën a yàkkamti juboo ci seen biir mm-hmm. te xamni li fi monsieur Boye bàyyi incha allah dina continuer incha dina continuer ñun de daañu ci bay suñu waar waaw kooku moom parce que ku nekk xam ni Aziz dafa bëggoon jeune et formé na fi ay jeunes et léegi daañu seet nañuy def ak ñom ba mën jappalé ñeneen ñi. Je suis venu au Sénégal pour présenter un programme itinérant de court métrage qui s'appelle Quartier Lointain. Cette année, sur le thème de la justice, cinq courts-métrages d'Égypte, du Rwanda, de Madagascar, de Libye, d'Afrique du Sud, qu'on a présenté à l'Institut français de Dakar euh, le samedi 16 décembre. Et ensuite, j'ai répondu à l'invitation de Ciné Banlieue pour venir euh, ben, rencontrer tous les étudiants et échanger avec eux sur le cinéma africain ou les cinémas d'Afrique. Et comme j'ai maintenant une casquette de distributrice avec une société qui s'appelle Soudou Connexion, je viens présenter un court métrage marocain ce soir euh, dans le cadre du Banlieue Film Festival. s'appelle Tikitat à Soulima de Ayoub Layoussifi. Alors, euh, quel rapport en vous avec les étudiants de cinéma, et plus particulièrement l'école en fait, en général eh ben, un, ne je sais pas, une affection particulière de, de passionné à passionné. Ils aiment le cinéma, ils se déplacent le week-end, ils n'ont pas forcément d'argent, ils aiment faire des films, parler de films, euh, regarder des films. Et moi, c'est quelque chose que, que j'aime et que j'aime partager. Donc, euh, c'est, je vais dire, mon rendez-vous obligatoire et avec grand plaisir, à chaque fois que j'ai un Dakar, de faire une escale euh, à Ciné-Banlieue. Alors, euh, parlez-nous de, votre métier ou bien de, votre passion qui est la, critique c'est quoi en fait la critique de cinéma bah, La critique, c'est aller euh, voir des films, écrire sur des films, donner envie aux gens d'aller les voir, creuser les sujets, savoir qui se cache aussi derrière les films, qui sont les cinéastes, qui sont les acteurs, euh, suivre aussi les carrières cinématographiques des films. Je pense que depuis 10 ans que je circule dans les festivals, que ce soit à l'international, sur le continent, l'objectif c'était aussi de comprendre quelle est la logique de production des films, comment on fait un film, comment on le distribue, comment on le diffuse, comment il rencontre son public ou pas. Et euh, à la suite de toute cette expérience, bah, j'ai monté en 2013 ce programme Quartier Lointain parce que je me suis rendu compte que le public n'avait pas assez accès aux films. Donc ils lisaient des articles mais ils ne savaient pas où les voir. Donc l'idée, ça a été de monter ce programme et d'aller à leur rencontre. Et en 2015, on a monté avec plusieurs critiques de cinéma une revue qui s'appelle Awo Télé et qui est une revue panafricaine de cinéma, bilingue français-anglais, qu'on édite trois fois par an à l'occasion des grands festivals du continent. Donc Carthage en Tunisie, le FESPACO au Burkina et Durban en Afrique du Sud. C'est vraiment les plus vieux rendez-vous sur le continent et c'est là où les cinémas d'Afrique sont les plus forts et c'est là aussi où ça manque un peu de visibilité. Donc on s'est dit que c'était intéressant de se placer. Et parallèlement à tout ce travail-là, bah, la question de la diffusion revenait toujours et je me suis dit que c'était important de lancer une société de distribution parce qu'il faut pouvoir accompagner la circulation au festival, les ventes télé, des films. Donc Soudou Connexion, ça veut, Soudou ça veut dire maison un peu. Et l'objectif c'est voilà, de pouvoir euh, proposer aux chaînes de télévision et au festival et à certaines salles de cinéma bah, des films d'Afrique et de la diaspora qui sont encore mal vus parce qu'à mon avis mal compris et mal défendus. Donc euh, je vais faire de mon mieux pour promouvoir ces films. Et la bonne nouvelle c'est que j'ai signé deux films sénégalais. Euh, Falou, si un court-métrage qui a été présenté à Carthage, et Demdem, de Paplopi, euh, Marc Requia et Christophe Rollin, qui vient d'avoir le tanit d'argent à, Carthage aussi. Alors, quel regard euh, portez-vous sur euh, le Banlieue Film Festival eh ben, j'ai pu participer hier soir à une projection et je me rends compte que bah, d'une part c'est de très bonne qualité puisqu'il y a un, écran, un son, une image de bonne qualité. Le public est au rendez-vous puisque j'ai vu qu'il y avait beaucoup de spectateurs cet après-midi et pour un dimanche après-midi, je vu qu'il y a beaucoup de monde pour assister euh, à la rencontre et pour échanger. Donc euh, mon avis est très positif. C'est une troisième édition. J'ai pas vu les ateliers. Je sais qu'il y, a eu des ateliers avec des comédiens, etc. Euh, mais je trouve qu'avec le peu de temps qu'il y avait pour le faire et en plus suite au décès de l'un des membres fondateurs de ce festival, Monsieur Aziz Boy, et eh ben c'est quand même un très beau travail et un très bel hommage qui lui est rendu. Waouh, bon les films festival, le troisième édition bi ak moment bi bi c'est un prétexte aussi pour réfléchir sur la suite de de son entreprise mais message bi biñ meuna japp rek revenir à lim ñu parce que monsieur Boy comme il disait il nous apprenait pas seulement à faire du cinéma mais surtout à être des hommes euh, les les comment on appelle les les mots clés sont là le partage la solidarité l'humilité et il y a beaucoup de choses yoo xam ne nii bu ñu fondé la générosité bi nga xam ne moom la doon demee ñu on peut avancer maintenant le reste moi dañuy toog suñu biir comment on va faire pour prendre en charge ce lieu parce que moom moo ko doon fay si il faudra que nous que nous prenons charge euh, que nous prenons en charge ce lieu mais j'ai bien espoir parce qu'il y a des gens il y a des gens très passionnés des gens des gens intéressés donc ça va aller c'est la jeunesse jeunesse bi lum lum bëgg rek le Banlieue Film Festival, c'est une très bonne occasion pour montrer ce que les jeunes de la banlieue sont à mesure de faire, pour montrer leurs préoccupations, leurs réalités. Euh, voilà, c'est la troisième édition, ça s'est bien passé. On a vraiment une certaine réussite aujourd'hui. Et maintenant, il faudra que chaque année qu'on pose un autre jalon, essayer de faire de sorte que à un moment donné, même le Mobile aussi, mais que ça mobilise des gens des autres localités de la banlieue comme Guédiawaye, Pékin, etc. Mais c'est une très bonne chose pour la jeunesse et surtout pour la jeunesse de la banlieue. L'organisation euh, a euh, démarré depuis que euh, De Wanyeko, nous avons démarré depuis des Wanyeko, nous avons démarré depuis bobu nak la ñëw ak euh, cinéban lay yëpp mm, dugal si suñu loxo ku ci nek nga def ci liñ ci wara def ndax gog gi jàngal nañu première édition bi jangal ñu deuxième édition bi nak troisième édition ba nek ni ñuy wax ya jamais 203 euh, c'était il fallait que mu am moy troisième édition bi gaay yëpp liggéey ci ci commission yu wuté ba tay yalla def euh, si ñetti fan yëpp lépp lu waroon am ci programme bi déroulé nañ ko ci jàmm ak salaam nous di jeexal euh, festival bi au moment que je te parle ñaari film rek moo des pour ñu war ñu war a pour clôturer festivalu euh, année 2017 bi euh, alors ñu avons cultiver le Film Festival ban bilan ngay def yow en tant que organisateur ci festival bi. waaw bilan bu may def rek déjà dans l'ensemble c'est bien lu baax la ndax festival boo jël ci weer kese nga def li ni mel succès

yaa ngi dégg film yu mag lu toll ni félicité ñu tek ko fi presse bu Sénégal yépp ñëw nañ def nañ ci ay reportage communication bi jàll na mbooloo mii nga gis xam nga né fi li li mu muy am passé assaini bari wul wa tay 16 yu ñu andu won rek euh, yépp jeex na bañ demaat li yu ay aywaat ay 16 ñëw tek ko kon loolu ça veut dire ba public bank ba légui kenn jugul ñëpp a ngi toog seen ay mag ak ndaw mu nekk communion euh, man bilan bu mu ci tiir rek moy c'est c'est magnifique. alors une dernière question molikan en tant que. Euh, réalisateur. Et aussi, en tant que grand ami hein, de M. Boy, vraiment, un de ses éléments phares, euh, quelle est la suite pour euh, cette école, cette structure qu'il a créée bah, La suite de, de c'est de pérenniser l'œuvre de M. Abdelaziz Boy. M. Boy, il a fait sa mission. c'était, M. Boy, c'était pour moi un missionnaire. Il était venu rencontrer des jeunes, former ces jeunes-là, permettre ces jeunes-là d'être des, des hommes avec un grand H, qu'il avait l'habitude de le dire. Maintenant, euh, il, a formé, euh, le premier produit de et c'était Moli. Après, il a fait d'autres produits, ça veut dire qu'il a eu d'autres enfants. Euh, il y a Amat qui est Studio aujourd'hui. Et euh, il ya y a il y a il y a Kandi, il y a Lepi, il y a Kadi Tu vois, il y a, y a, beaucoup de beaucoup de moulures dans Ciné Banlieue. Maintenant, la suite de Ciné c'est de pérenniser l'œuvre de M. Abdelaziz Boy, que tous ces enfants euh, qui sont ici au Sénégal et qui sont à, l'international, ils, ils, doivent tous se réunir autour de l'essentiel pour que le cinéma banlieue et le SUNE UCAD puissent être euh, une réalité pérenne et que les choses continuent. Et il faut qu'on continue de faire des ateliers, il faut qu'on continue d'écrire des scénarios. Ce que M. Boy faisait, nous, ah, moi personnellement, je n'ai pas la générosité de M. Boy, ni euh, euh, l'intelligence de M. Boy, ni ses capacités, ni son, son talent, ni ses compétences. Mais étant un enfant de M. Boy, et ça je le revendique, et je l'ai toujours revendiqué, je ferai de mon mieux pour que le cinéma euh, reste le cinéma que Mouche Boy a, a, rêvé et que Mouche Boy a fondé. téléspectateurs téléspectateur Obulus TV comme nous ñu leen ko waxee sunu nous avons vu le banlieue film festival daw ba jeex te du une projection de film te projection boobu film yi nga xam étudiants yi génne ciné banlieue ak ciné le ñaari at yi weesu ñoom la dawal seen film Parmi les films qui seront projetés ce soir, il y a le film d'Aman Ndiaye qui s'appelle Mati. Donc, Harlenko, tout à l'heure, film de Warna En attendant, film. Vous allez voir aussi que nous avons un film parce que nous avons un film qui depuis que remporté le prix du public. Mais aussi, si le film est vous avez une réaction aux réalisateurs, mais aussi acteurs du film. Euh, on a vu que film bi euh, après projection bien avant projection bi euh, y a eu beaucoup d'écho ah hein. bëri na mati mati mati mati mais lan moo def charme boobu non, coow boobu non, ni dégg rek chaque instant. Wow. coow boobu ni dégg Amana. ki tax coow boobu ni koy dégg mooy ndeyu mbir gi mooy ni nekk ci ginnaaw xam ñun dañoo nekk ci rek exécuter mais ni nekk ci ginnaaw waral coow li bëri ri, gi bëri fu di ko mati mati mati mati.

waaw je m'y attendais pas nag euh, wax daan wax dëgg sa la réaction bi ma gis ni tey je m'y attendais pas bon je m'attendais li ma gën a bett mooy c'est toujours ñi may ñi may gën a bett mooy c'est les enfants surtout seen réaction wax dëgg fa je m'y attendais pas man mënu ma yaakaaroon ni booy nañ am niveau de compréhension bi mat yi mi nga xam ne jaaxal na paa yi jaaxal na anciens yi ay xalé yu tuuti nga xamné ne le cinéma ñoo am esprit de compréhension boobu ba pare ak film du début à la fin. Euh, en tant qu'acteur tu lances euh, un signal fort yeneen acteur yi alors euh, parce que gis nañ condition de tournage yi ni mu méttee won répétition yi tout ça mais nga ñëw surmonter loolu euh, alors un dernier mot pour pour ñom waaw loolu yëpp luy waral li yëpp avant tout da ngay gëm sa bop ba paré waaw difficulté tournage ak ak ñak bañu difficulté ñoo L'acteur il est toujours l'acteur, tu da ngay gëm sa même pour faire dañ la le portable sax yow tu es un acteur nga gëm sa li li la plateau nga respecte ko condition de tournage mu nek fi ñak bañ yow reste soit soit toi même quoi soit ce que tu es reste ce que tu es reste un acteur quoi voilà. Oh, oh my God. Mais attends. Yo jugal me préparer sa voyage bien Tu que tu faire. Tu veux en faire un hein. tu t'arranges un peu Voilà, la y a allez je te fais un gros bisou et sois sage passe une très bonne journée bisous. Je suis toute contente, hein, une fierté de voir qu'aujourd'hui le cinéma sénégalais est vraiment en avant et que aussi le public a apprécié ce film de Mati à travers les applaudissements et les, les, surchotages lorsque ça passait sur scène. Et vraiment, c'est un honneur quand même. Hein. Je suis vraiment émue de voir que vraiment le public euh, qui est venu aujourd'hui regarder ce festival de cinéma en lieu et apprécier ce film de Mati. Vraiment alors euh, mën nga ñu wax tuuti kan mooy Mati, Maty mooy kan chaque jour dañ koy laaj chaque jour mais mais mooy ban xeetu jigéen. Maty su may Mati, Maty damay njëkk que Maty mooy Amad Ndiaye <laughs> le grand Réa euh, que je remercie au passage. Euh, Maty c'est une dame qui est très capable bi nga c'est ne nii dafa sañ lu nekk c'est des faits de la société effectivement on retrouve que dans la société am na ñoo xam dañoo capable am comme prétexte qu'elles vont au travail alors qu'elles vont faire autre chose wala dañuy y sen kër aujourd'hui dañuy ci sen jëkkër voyager dem séminaire wala quoi que ce soit euh, dañ aussi profité aussi pour recevoir ci donc on essaie un peu de montrer Taï li nga xam de Québec. apparence elle est toute belle mignonne euh, sérieuse euh, tu te dis qu'elle ne peut pas faire cela parce que vraiment li am mais carrément c'est le contraire quoi c'est comme une double face quoi une personne qui vraiment quand tu la vois tu te dis qu'elle c'est une sainte touche alors que elle est capable même de faire des bêtises quoi alors que euh, le public qui a accueilli accueillir film euh, est-ce que vous nga genre réaction du public parce que film ce c'est pas facile à comprendre euh, à première vue. <laughs> Effectivement, un public très critique. Euh, pourquoi Madal Parce que la première fois que me à un film, mes premières projections publiques, c'était avec le festival Rec, Béni remporté le prix du public déjà. Faut que déjà, quand la salle avait applaudi, je me suis dit, waouh, ça les a vraiment touchés et qu'aujourd'hui aussi devant ce public il y a beaucoup de cinéastes il y a beaucoup de réalisateurs et des acteurs et des actrices aussi des critiques aussi donc s'ils apprécient donc nous on peut dire que on ne peut dire que alhamdulillah, que voilà c'est un bon produit que nous a donné. un dernier mot juste pour dire Mati en un mot un seul mot. capable.

Euh, ñu tijji benn parenthèse boo xam ni euh, pour benn film bu ñuy wax mat Mati Mati di film boo xam ni dañ ko sélectionné mu daw ci Banlieue Film Festival troisième édition bi euh, ñu taxaw ak réalisateur bi Amath Ndiaye ki ñëpp di wër en ce parce que on se dit mais kan moo nekk ci ginnaaw chef d'œuvre bi alors Amath bienvenue ah merci Socrate euh, merci Obelus TV aussi man maa leen di dalal ah, man maa leen di wax bienvenue parce que euh, festival bi ñu teewee tey euh, defe naa ne kenn ëppuma fi cër ah. defe naa bu ngeen ñëwee man maa leen di dalal parce que tey defe naa ne maa aye quoi yéen a ngi sama terrain. Euh, alors ñu gis film bi daw na vraiment mu am benn réaction bu positive ci public bi te ñun yaakaaruñu ko woon en tant que téléspectateur parce que jaaxle nañ bi ñu gisee réaction bi nga xam ne public bi ni mu accueillir film bi est-ce que yow xalaatoon nga loolu par rapport ak niveau de compréhension bi. waaw bien sûr xalaatoon naa loolu ah parce que euh, dañu xeeb suñu public rek mais dañu war a xam aussi léegi am nañ public bu mature euh, parce que cinéma sénégalais tamit quoi qu'on dise du tey donc dafa nekk loo xam ne yàgg na trop euh, te public sénégalais dafa nekk public boo xam ne dañoo patient donc xaar nañ cinéma bi ba cinéma mi ngi jekkiwaat. té ñom gis nañ né and nañoo ak ñom donc sen réaction du mu mën a parce que xamna né ñu ngi doon xaar cinéma sénégalais ñëwaat té defe naa nii rek lay continuer donc peut-être problème bi si ñun cinéaste lay lay nekk parce que ñun peut-être ñun ñoy xawa xép parfois suñu public mais je pense que le public est vraiment mature. Euh, alors euh, Kordos rek plus du public dans les films festival le public euh, accueillir film bi tellement ba nga xamni c'était nice. Maintenant, c'est quoi la suite Mati fait son bonhomme de chemin. Wow, Mati fait son bonhomme de chemin cinéma donc de manière artistique on a une idée on l'écrit on le prépare on le filme on le tourne on le monte et on le présente bu loolu weesoo on tourne euh, sur d'autres projets euh, te defe ni dina am beaucoup de surprises yoo xam ne Film and Animation dina ko def te dina nekk loo xam ne euh, dina doon innovation ci cinéma sénégalais parce que yàlla defna na làmb nañ te daj nañ li nga xam le public sénégalais soxla tey te incha allah dinañ ko jéem a matal ba mu mat. alors un mot pour Abdelaziz Boy. waaw xanaa euh, di ko ñaanal rek fu mu tëdd suuf woyof ci kawam te yàlla xare ko aljana euh, waaye ñu ngi am tamit euh, rafet njort te xam ne fa mu nekk fa mu tëdd instant bi mbégte fekk na ko fa ndax defe naa liggéey bi waa banlieue film festival def tey liggéey bi ciné banlieue ak ciné UCAD def tey ak partenaires yi aussi ñi nga xam ne ñoo ko daan jàppale bi muy dund niñ ci aussi donc ba Birafetni bi je pense que fa de Taï, vraiment content alors euh, le Bané Film Festival ferme ses portes on avait ouvert le Bané Film Festival avec une note de tristesse comme je vous l'avais dit mais on ferme cette édition avec une note d'espoir et cette note d'espoir kenn nit nous porter porté muy Abdelaziz boy qui a formé des hommes te tay ñimu formé tay projeté nañ sen film amnay activité donc Banlieue Film Festival édition 2017 ferme ses portes aujourd'hui donc chers spectateurs de de votre chaîne préférée Obelus TV nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition spéciale au niveau de la banlieue film festival merci